non li ko gën a waral mooy que ni ñàkk sécurité moo jiitu parce que soo nee ñàkk sécurité rek ëmb na lépp parce que fii nii Lam-Lam soo xoolee depuis loo xamante ni juddooguñu ñu ngi dund souffrance boo xamante ne jii nii amaana ñi nga xamante ñoo fi nekk di ñoo ñu ko teg te depuis boobu léegi ñu koy dund phosphate la ñuy exploité en plus en plus am na ko fii exploité atapigique bi. Mhm. di ko jëlee dëkk dëkk di ko ñëw fii nii di ko exploité. di ko mhm. liggéey. Mhm. doxu ñaxtu bi gën a mag tamit loolu la parce que tey jii nii. ñun depuis boobu gisuñu si suñu bopp parce que soo xoolee entreprise bi fi gën a mag peut-être noonu laa ko mën a waxee jamono ji plus de cent et quelques mille tonnes de phosphate mu ngi ko fiy jëlee SSPT moom waxaale wuñ ko parce que moom chaque instant mu ngi daw c'est la même chose moom moo fiy jëlee plus de cent et quelques mille tonnes par année te xoolal dëkk bi fii gis nga yoon bi mu ñëw bi ngay ñëw ni mu mel mm. environnement bi gis nga ko ni mu mel ak yi ñu fi bàyyi tout près si dëkk bi risque bu mag a mag a mag a mag a mag instant bi la ñuy dund fii si te métti na lool lool lool loo mhm. pour aussi ñu dégg mhm. parce que sonn nañ tamit aussi autorités yi fi nekk yëpp wax nañu ak ñoom li ko dalee si SSPT jëm ba ci mairie wax nañu ak ñoom mais ba léegi gis ñu résultat xam nga jamono yële si ginnaaw usine SSPT mais dafa jékki-jékki jékki-jékki def benn rupture coupé lépp courant bi nga xamante ni waa cité bi sax ñu ngi ko doon am dafa jël lépp dagg lépp hmm? waaw ndox mi tamit la même chose tey jii nii soo xoolee environnement bi sàmm yi fi mu nekk nii mënatuñoo sàmm parce que soo xoolee yow à partir diggante ba àll bi diggante fii nii ba fi nga euh, lantinoor hmm. lépp def nañ ko ay kàmb te amul lenn loo xamante ne jii ràmbale waat nañ wala suulaat nañ ko ba tey jii ñi nga xamante ni ñoo dëkk si dëkk bi mën see jariñu hmm. loolu yëpp gis ñu si dara te nag ñun ñu bëgg mooy que ni fi mu nekk nii fii suñu dëkk la suñu localité la ñom ñi nga xamanteni ñoo fi nekk di exploité ak ñi nga xamanteni ñoy suñu dirigeant suñu njiit fi ñu jàppale ñu ba nga xamanteni chaque weer bu dé wala chaque 3 mois sax ñoom dinañ am lu duggal ci tekk bi ñom buñ ko mënul défa ñu dinañ mëna a suñu bop parce que fi mm. ni amna ay ingénieur mécanicien lepp lo xamanteni tay ji ni nii si soxla nañ ko fi amna fi gaay yi gis ñu seen bopp amul kenn ku ci gis seen bop ñi wax ak ñi waxul yépp fi ñu ngi employer quelques jeunes so xolé nag ñi jóge ailleurs ñoo ëpp mais ñu ngi employer quelques jeunes si ñu leen ay contrat yo xamanteni non non fi ay conducteurs yu calé

depuis que les entreprises sont implantées ici bien avant euh, notre naissance il y a la société sénégalaise des phosphates de Thiès qui s'appelle la SSPT et CEPHOS mhm. qui sont qui siègent ici depuis des années mais la population ne parvient pas ne parvient même pas à s'y identifier il n'y a pas de mesure d'accompagnement des différents secteurs d'activité qui sont ici, notamment à savoir l'agriculture, qui est un pilier fondamental pour le développement, et l'élevage aussi. Mhm. l'insécurité, vous pouvez le constater à, à, Parce qu'avec cette structure-là, vous, voyez la forêt, tout près des habitats, c'est risqué. Il y a la pollution atmosphérique, notamment, ça, ça s'identifie à l'œil aussi. Parce que vous pouvez constater, l'état de, la verdure à cette période-là de l'année, mhm. au moins en mois de décembre, presque, on est, tout vient juste de sortir de l'hivernage, vous voyez, presque les herbes sont mortes. Mhm. Avec ça, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas pratiquer l'élevage ni l'agriculture parce que ça impacte les arbres, mhm. ça impacte les plantations, les personnes notamment. Ce qui tue normalement la verdure ne laissera pas en vie une personne. Ici, même on, a un problème avec euh, les structures sanitaires qui sont ici. Parce que depuis la société, elle est là, il n'y a qu'un centre de santé qui est là, qui n'est même, pas équipé. Même pas équipé. Mhm. Il n'y a pas de personnel qualifié là-bas. Auparavant, connaissant l'Homme, on ne payait pas d'électricité ni d'eau. Mais depuis ces deux dernières années-là, on a arrêté la donation de l'eau et de l'électricité. Mais c'était l'usine qui le faisait, c'était l'usine qui assurait tout. La Société sénégalaise des phosphates de Thiès, c'est eux qui assuraient tout. Tout était gratuit. Maintenant, depuis ces deux dernières années-là, ils ont, ils ont rompu les contrats. Vu le nombre qui, qui travaillent dans l'usine, on peut dire qu'ils ne sont pas employés. Parce que sur, une, sur 100 personnes, tu peux dire que 90% des 100, 90% sont issus d'ailleurs. Ils ne sont pas de la localité. Connaissant lhomme je dirais non. Parce que ici, depuis des années, on a les meilleurs conducteurs, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs électriciens. Partout au Sénégal, où tu verras le BTP, tu verras un, gauche gosse de l'homme. Donc je pense que ce n'est pas un problème de qualification. Nous, on a tout fait. On a tout fait. Maintenant, c'était notre dernier recours, cette conférence de presse-là. Continuer le combat si les choses ne changent pas, bien sûr. Les mhm. meilleures conditions de vie, d'épanouissement, et tout qui va avec le monde moderne. Euh, à l'heure actuelle, je dirais que ça, ça ne va pas avec le développement. Nous, on s'attendait plutôt à des centres de formation en technicité, peut-être en électromécanique ou en électrotechnique du genre, ce qui va avec l'industrie. Mais pas des terrains de foot ni des terrains de basket. Mais il y a des choses qui sont les priorités. Les centres de formation mhm. qui forment des professionnels qui vont participer au développement de la localité ainsi qu'au développement du pays.